de toutes les Sénégalais et de tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora. Quand, grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre ce moment historique de la vie de notre nation, je voudrais remercier le peuple sénégalais pour le choix porté sur ma personne et au-delà de ma personne sur le projet que je porte et partage avec de nombreux compatriotes. Je salue la posture des autres candidats qui, sans exception, ont honoré une tradition bien sénégalaise sans même attendre la proclamation des résultats judiciaires par les instances habilitées de l'État. Leurs messages de félicitations sont le témoignage éloquent de leur grandeur, de leur humilité, de leur attachement aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques. Je salue la posture du président Matassara, dont la vigilance et l'engagement ont permis de garantir un scrutin libre, démocratique et transparent, assurant ainsi un résultat reconnu par tous les protagonistes. Tout en regrettant les peines et les souffrances vécues ces dernières années, les vies brisées ainsi que celles qui ont été perdues, je voudrais reconnaître et saluer l'attachement de notre peuple à la démocratie, à la justice et à l'égalité. Je remercie et félicite aussi tous les leaders du parti politique Association, Mouvement citoyens des personnalités indépendantes qui ont pris à notre projet et réserve pour soutenir la coalition de ma Je m'associe aux autres candidats. m'associe aux autres candidats, je voudrais féliciter les services de l'État qui ont assuré l'organisation matérielle de l'élection. Les observateurs internationaux que j'associe également à des remerciements témoigneront sans doute de la régularité du scrutin. En m'élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet de société, que notre projet de société a suscité et donner corps à ces aspirations, je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption dans toutes les échelles, à toutes les échelles. Je m'engage à, à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CDAO tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je mènerai des actions similaires. Je mènerai des actions similaires avec la même abnégation pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et la ligne sûre et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement J'ai une pensée pour les femmes et les jeunes. Une partie importante des ressources de la nation s'est mobilisée pour abréger, leur leurs souffrances et leur manque de perspective. Le peuple sénégalais a compris et choisi ce, que, ce projet que le peuple sénégalais a compris et choisi permettra de libérer l'énergie créatrice qui sommeille en chacun d'entre nous et de mobiliser et valoriser les importants ressources humaines, spirituelles et naturelles dont regorge notre pays pour en faire le moteur de notre sursis. Au vu des urgences qui et de l'espérance placée en nous, nous travaillons de manière acharnée et méthodique autour des chantiers prioritaires dont les plus importants à nos yeux sont la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre ensemble, la refondation des institutions, l'allègement sensible du coût de la vie, les concertations nationales inclusives, sectorielles sur l'évaluation et la relance des politiques publiques. Mes chers compatriotes, cette élection est intervenue dans un contexte marqué par une crise préélectorale qui aura coûté des vies, qui aura fait de nombreux blessés, qui aura fait de nombreux patriotes emprisonnés. Nous allons entourer cette page pour réconcilier les cœurs, réconcilier les Sénégalais et nous mettre inlassablement au travail qui devra mar marquer et réaliser l'espoir qui a été suscité par mon élection et le projet dont je suis le porteur. Sénégal loolu liggéey bay mais ki dafa jug doom li xew ci élection présidentielle 2024 yi élection boo xam ne ETDR établissement Touba Darou Rahman ci liguey ay bâtiment lañu ko ragné liguey bu taru lol té am qualité lol ñu dëgmal nak liguey bu yees mbokk mi déglul li travaux de réhabilitation du tribunal grande instance de Thiès ñu war ko défarat ba mu ñoŋ ci anam yi mu gëna baxé mbokk yi bu ñu jógewee fofu nak dañuy ci benen travaux de réhabilitation ci tribunal bu grande instance bu Mbour défarat ko ba mu gëna a def ci ay étanchéité de dernière génération def ci peinture yi gën ci peinture yi ba noppi ci ay loxo yu militaire de Barigny, bâtiment alimentation avec construction d'une fondation micropieux mbokk fondation micropieux nak moy li nga xamanteni ni bâtiment bi du tegee ci suuf si da ngay un micropieux yi ba noppi dal di jël bâtiment bi teg ko ci kaw fondation bi ETDR du yem foofu dem dem dem golf construction bâtiment de maison ci anam yu mu génération fondation yu liggéey ko mu jamono fondation coulage ba finition établissement Touba Rahman daf taxaw ba mu ETDR e établissement Rahman travaux de bâtiment BDP, génie civil fourniture de matériel prestation de service ñun 575 50 25 le 33 824 57 43 ETDR accessible ne pour ñëpp suñu adresse magnifique ngi fii de Pikine ci technopole bi arène nationale villa numéro 406 ETDR moo lay aar sàmm sa am sax durée de vie bu yàgg kon nag gars ETDR e Nahnak nag